forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum 18h, passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou au micro Nefis Adamo Sirfo. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amfani FM 100 MHz, Kwarategi FM 90.9 MHz et Challenge FM 96 à Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens relativement à des questions d'actualité qu'ils se posent régulièrement. Nous allons parler ce soir de l'entrepreneuriat féminin au Niger. Dans un premier temps, nous verrons ce que l'entrepreneuriat en général et celui de la femme spécifiquement Ensuite, nous nous pencherons sur la question de la création d'entreprises ici au Niger. Nous aborderons de fond à large la question de l'entrepreneuriat féminin, de la création de l'entreprise à la gestion, les difficultés que les femmes chefs d'entreprise rencontrent. Enfin, se demander sur comment il faudrait promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des jeunes filles diplômées et même sans diplôme. Avec nous dans ce studio, Madame Amina Issa, elle est directrice générale de Fortitude. Fortitude est une agence de la restauration bio et du recyclage. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Nous avons également Monsieur Kaoura Bachir, il est directeur général de la maison de l'entreprise. Bonsoir à vous. Bonsoir, Madame. Et merci d'être venu. chers invités, merci une fois de plus euh, d'être venus. Avant d'aborder les questions spécifiques euh, liées à l'entrepreneuriat féminin, veuillez procéder à une brève présentation ainsi que les structures que vous représentez. Je commence par vous, Madame Amina euh, moi, c'est Madame Sani Amina Issa Ado. Je suis la directrice de Fortitude Agence. Fortitude, qui est une start-up qui a essentiellement trois volets la restauration bio, événementielle et le recyclage des déchets solides non biodégradables. Merci à vous, Monsieur le directeur, euh, Monsieur Kaura. Merci, Madame de l'opportunité que vous nous donnez de présenter la maison de l'entreprise et euh, les appuis que nous faisons à travers, pour les entreprises, et notamment euh, les entreprises qui sont gérées par les femmes, promues et gérées par les femmes. Alors, la maison de l'entreprise est une institution qui a été créée par l'État et placée sous la tutelle de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Elle a, euh, comme mission de renforcer le tissu économique et de promouvoir l'émergence d'entreprises compétitives, en plus du fait que nous avons comme pour mission euh, d'améliorer le climat des affaires. La maison de l'entreprise a euh, en charge l'indicateur création d'entreprise euh, qu'elle qu'elle gère au niveau du centre de formalité des entreprises ou précisément au niveau du guichet unique mhm. de création d'entreprises. Merci à vous. Ce soir, nous allons, parler de l'entrepreneuriat féminin. Monsieur le directeur, euh, tout d'abord, euh, comment vous définissez l'entrepreneuriat en tant que tel Alors, l'entrepreneuriat féminin pour nous est, un entrepreneuriat euh, promu, géré, par des femmes. Je pense que euh, il y a peut-être deux décennies, il y avait trop de, très peu de femmes qui s'engageaient dans cette voie. Beaucoup étaient dans la formelle, mais de plus en plus, le constat que nous faisons, euh, il y a beaucoup de femmes qui se sont, qui s'engagent créer des entreprises euh, et, euh, à promouvoir des activités, euh, sinon même des projets dans ces entreprises-là. Nous avons eu la preuve à plusieurs reprises, depuis en tout cas que nous sommes au niveau de la maison de l'entreprise et bien avant. et je pense que c'est un motif important de satisfaction au niveau national parce que ça permet euh, à ces femmes-là d'accéder à un revenu plus important. un mm-hmm. revenu consistant. Voilà, et donc euh, de satisfaire euh, des besoins sociaux de base pour la famille. Madame Amina Issa, vous êtes directrice générale de Fortitude, vous êtes femme entrepreneur. Pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat féminin, vous qui êtes dans le domaine au-delà de toutes les définitions classiques, moi je dirais c'est le changement qu'on veut pour notre pays. C'est notre manière de faire pour développer, pour booster ensemble. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui entreprend, moi je dis toujours, on va de celle qui vend le kékéna à la directrice générale d'une banque ou d'une haute institution. C'est le changement de mentalité, c'est ces actions quotidiennes qu'on pose parce qu'on veut changer le pays, parce que qu'on croit qu'on peut et qu'on le fera. Donc moi, j'aime pas rentrer dans les décisions dans les définitions classiques, je dirais, mais voilà moi ce que je pense de, l'entrepreneuriat. Et depuis quelle année vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat J'ai commencé en 2013 conformément à tout ce qui est texte et réglementation, j'ai pris tout, toutes mes dispositions en 2013. J'avais commencé, comme je disais, par la restauration et c'est ça qui nous a fait déboucher sur le recyclage en fait, parce mm-hmm. qu'on s'est rendu compte qu'au restaurant, on utilisait beaucoup de bidons, de boîtes de conserve, etc. Donc au lieu de les jeter et de contribuer à salir notre environnement, il fallait penser positif. Et mm-hmm. c'est de là qu'on avait commencé à transformer les bidons en seaux, en petites cuillères, etc. Donc c'est de là qu'est vraiment le recyclage que nous faisons aujourd'hui. Vous venez, vous venez de le dire, vous avez débuté avec la restauration bio, c'est ça Qu'est-ce qui vous a motivé euh, à, vous lancer dans, cette euh, activité Qu'est-ce qui vous a euh, motivé La restauration bio, c'est vrai, c'est un concept, c'est un combat parce qu'on a remarqué, j'ai personnellement remarqué que les gens ici, ils sont beaucoup malades, diabète, etc., attention, les gens mangent mal. Donc, pour nous, en fait, l'idéal, c'était d'avoir déjà notre propre potager où on allait cultiver nos propres légumes sans OGM et tout. Et mhm. c'était ce combat, c'était de C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on fait du 100% bio, je le dis, parce qu'il y, y, a beaucoup de choses qu'on ne possède pas, qu'on n'a pas. Mhm. Mais on fait tant bien que mal pour arriver vraiment à cet idéal. Mhm. Le constat, c'était, je me suis dit, les gens mangent mal. Qu'est-ce qu'il faut Et c'était surtout aussi de valoriser nos plats locaux et traditionnels. Donc, les, voilà, les les lafoy, etc., qui sont des produits vraiment qui ont beaucoup de vitamines et qui gardent nos, personnes en, en, forme et en bonne santé. Monsieur le directeur, euh, je reviens vers vous. Euh, l'entrepreneuriat, comme vous l'avez un peu expliqué plus haut, certaines euh, femmes travaillent dans l'informel. Alors, l'entrepreneuriat, il se présente sous combien de formes Alors, principalement sous deux formes. Soit on est dans l'informel ou dans le formel. Voilà, on peut passer de l'informel au formel si on le désire mais il y a quand même des conditions à respecter. Mais euh, moi, ce que je peux dire, qu'on soit dans l'informel ou dans le formel, on participe euh, quelque part à générer des revenus, à faire en sorte qu'il y ait euh, une quiétude sociale au niveau national. Parce que, imaginez-vous, madame, que l'ensemble des jeunes qui sont dans ces petits métiers aujourd'hui, qui sont dans l'informel, ne le soient pas. Donc, vous voyez que c'est une préoccupation dans toutes les familles et peut-être même à notre niveau, au niveau national. Donc, je pense que l'informel a son rôle à jouer. Euh, aussi bien que, que le formel. Mais euh, pour euh, certaines activités, ce qui est important, je pense que c'est de voir comment euh, faire la transition petit à petit. Je pense que euh, globalement, quelle que soit l'activité que que ce soit une femme ou un homme fait, ce qu'il euh, souhaiterait, c'est que que son revenu s'accroisse, qu'il mm-hmm. fasse beaucoup plus de chiffres d'affaires. Voilà. Et en faisant beaucoup plus de chiffres d'affaires, c'est d'avoir d'autres opportunités et peut-être qu'en allant vers le formel, euh, un système beaucoup plus formel, il ou elle peut avoir ses euh, euh, opportunités Oui, on se demande tout le temps le formel, l'informel, qu'est-ce que c'est concrètement Expliquez-nous c'est quoi le formel, l'informel en termes d'entrepreneuriat Alors, le formel, c'est d'abord une entreprise, avant tout une entreprise qui est légalement reconnue. Euh, voilà, et euh, qui paye euh, ses impôts. Voilà. Alors que tout ce qui est au niveau de l'informel échappe en général au paiement d'impôts et autres taxes. Voilà, je pense, la différence notoire. Il faut dire aussi beaucoup, il y a beaucoup plus de tout petits métiers dans l'informel mm. que euh, dans le formel. Mais qu'est-ce qui explique cette situation Alors, euh, c'est d'abord dû au fait que euh, au démarrage, les gens n'ont pas un fonds assez consistant pour, pour démarrer l'entreprise. Après, quand vous avez les moyens, c'est sûr que vous allez regarder vers d'autres horizons. Et pour regarder vers d'autres horizons, vous allez vous dire, ok, ben, à partir de ce moment-là, moi, je veux me faire enregistrer mhm. pour avoir d'autres opportunités, que ce soit au niveau national, sur régional journal ou mhm. euh, à l'international. L'entreprise même en tant que telle, comment la créer Comment on crée une entreprise ici Alors, on crée une entreprise euh, sur euh, déjà, pour moi, pour créer une entreprise il faut faire une activité ou euh, penser faire une activité. Quand vous vous dites oui, je vais me lancer dans une un projet, activité, avoir un projet, quand vous dites que vous voulez vous lancer dans une activité, c'est que vous avez mûrement réfléchi votre idée et que vous pensez que cette idée euh, colle à un besoin de la population ou mm. de votre groupe cible. Vous savez, euh, en général, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de penser que euh, parce que je pense que c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde et que mm. tout le monde va acheter. Ce qui est, ce qui est bon en entreprise, c'est ce que veulent les clients. C'est tout. Euh, ce n'est pas ce que vous, vous voulez. Ce que vous voulez ne compte pas vous servez aux clients ce qu'ils veulent et ils achèteront ce que votre produit. Le jeune euh, qui veut entreprendre, est-ce qu'il y a une autre somme qu'il doit verser pour pouvoir euh, mettre en place cette entreprise Alors, aujourd'hui, euh, il y a quelques années d'ailleurs, c'était beaucoup plus compliqué de créer une entreprise. Peut-être madame qui l'a créée en 2013, encore à cette étape-là, c'était un peu plus compliqué. Dans les années 2000, c'était compliqué. Aujourd'hui, ce n'est plus compliqué. Voilà. Et que euh, pour créer une entreprise, si c'est une entreprise individuelle, vous ne payez que 17 500 francs. 17 500. oui, tout à fait, pour avoir euh, vos documents. Si c'est une SARL, vous payez le même montant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une SARL, elle euh, a un capital euh, initial. Dieu merci, depuis pratiquement euh, deux ans, le capital initial a été revu. Au début, c'était à un million de francs CFA, mhm. minimum un million de francs CFA. Le gouvernement a fait en sorte que cela passe à 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, le capital initial est même euh, libre, librement déterminé par euh, euh, le ou les associés, sachant que l'OADA nous stipule que le capital minimum ne peut pas être en dessous de 5 000 francs CFA. Donc, avec 5 000 francs CFA, plus 17 500 francs, donc 22 500, on peut créer une entreprise aujourd'hui une SARL. Je ne veux pas parler de SA parce que c'est encore plus complexe et il va falloir obligatoirement passer par le notaire. Il y a d'autres formes de société, mais celle-là, là, vraiment, c'est le plus utilisé ici. Merci. Euh, Madame Amina, je reviens vers vous. Euh, vos activités euh, ont débuté en 2013. Vous travaillez dans l'informel ou le formel Le formel. J'avais commencé dans l'informel, je dirais peut-être avant 2013. Mais moi, je pense que pour faire un travail sérieux, il faut être sérieux. Parce qu'aujourd'hui, si je fais des prestations, je ne peux pas amener des factures, par exemple, sans avoir mon IF ou mon RCCM. Mm. <laughs> Il y a des clients, aujourd'hui, même, le plus petit client ne l'accepte pas. Mm-hmm. Donc, je, m'efforce vraiment à être dans le formel parce que moi, je vise l'excellence. Mm-hmm. Je vise vraiment l'excellence parce que je je me dis, c'est, c'est, le sérieux que tu fais dans ce que tu aimes qui va t'amener au sommet. Et cette activité euh, dans laquelle euh, vous excellez, et vous avez reçu une formation dans ce domaine euh, Je crois que c'est plus la passion parce qu'en fait, moi, j'ai, un diplôme en communication des entreprises. Mais bien avant de finir mon travail, j'avais commencé, j'ai fait beaucoup de stages dans une ONG, dans des ONG, mais spécifiquement une ONG de l'environnement, de la lutte contre mhm. les changements climatiques. Et c'est grâce à cette ONG, j'ai voyagé quand même, je, dirais, j'ai vu une partie du monde, mais c'était toujours dans le cadre de l'environnement. Donc, vous voyez, de la restauration bio au recyclage, c'est toujours dans le même domaine. Hmm. Et je crois que c'est là que j'ai pris cette passion. Et là, parfois, j'oublie même que j'ai fait la communication, Donc, c'est vraiment une passion. Et, euh, euh, avec quel budget vous avez démarré votre entreprise en 2013 <laughs> <laughs> je, ne saurais le dire parce que, comme je disais, c'est pas en 2013 que j'ai démarré, mais c'est mm. en 2013 je me suis confirmée. Mm. Mais franchement, je ne pourrais pas vous, sincèrement, je, je ne pourrais pas vous dire. Je sais que j'ai commencé par cette par les activités de la restauration parce qu'au-delà d'une activité lucrative, c'est une passion. C'est avec ça que j'ai commencé et j'ai excellé. Monsieur le DG, oui. Dire c'est que en général, beaucoup d'hommes et de femmes euh, démarrent leur entreprise avec euh, quelques euh, appuis de la famille. Voilà. Voilà. Et mm. que, bon, chemin faisant, elles peuvent faire appel à d'autres mécanismes pour leur venir en aide. Et quand on a les rangs solides ou quand on a un bon projet bancable, on peut hmm. aller au niveau d'une banque. Hmm. Exactement, Mais ici au Niger, selon vous, monsieur le directeur, depuis quand les femmes ont commencé à se lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce tout récemment ou bien les femmes ont toujours été dans l'entrepreneuriat. Euh, même la dame qui prépare à manger au bord de la route, mhm. Euh, c'est une entreprise. Et d'ailleurs, parfois, on a tendance à négliger le travail que font ces femmes-là, mais c'est un travail qui est assez pénible. Parce que pour préparer à manger, il faut se lever à 3 heures du matin, mhm. euh, préparer, euh, faire tout le nécessaire pour que à 9h, 10 heures certaines personnes puissent manger. Et enchaîner, en même temps que vous êtes en train de, servir. Il y a d'autres qui sont au marché en train d'acheter euh, les condiments, voilà, et, le cycle reprend. C'est un mhm. cycle. Euh, il n'y a pas de congé dans, <laughs> cette opération-là. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même du travail pénible et ça a toujours existé. Maintenant, comme j'ai dit, de plus en plus, les gens euh, viennent se formaliser. Je vais vous donner, madame, juste quelques chiffres déjà à partir de 2013. En 2013, nous, nous avons enregistré 1900 à peu près entreprises euh, qui se sont créées euh, au niveau, du centre de formation. 2014, 2300 entreprises. 2015, 4200. C'est une augmentation d'à peu près 80%. 2016, 4600. 2019, un peu moins de 5000. C'est pour vous dire que il y a une progression. positive, une progression en termes pardon, euh, de création d'entreprises. Mm. Et les femmes ne sont pas euh, en retrait. Mais quelle est la place de la femme dans ces chiffres-là alors, voyez-vous, c'est parfois difficile de déterminer combien de femmes mm. ont créé des entreprises. Si ce n'était que des entreprises individuelles, c'est facile. Mais là, vous avez des euh, sociétés à responsabilité limitée, vous avez des sociétés anonymes, mm. où il y a des actionnaires, une multitude d'actionnaires, personnes physiques comme personnes morales, mm. donc avec les hommes et les femmes c'est compliqué euh, de euh, déterminer euh, cela. Mais tout ce que nous constatons, rien que à travers le passage de ces de ceux qui viennent créer les entreprises, il y a de plus en plus, au moins, je dirais, un quart d'entreprises qui sont créées par les femmes. Et même quand nous avons lancé la compétition des plans d'affaires, nous nous sommes euh, retrouvés à peu près à 27% de, femmes. Voilà. Quand nous avons terminé toutes les sélections avec les 100 lauréats, il y a 26% de femmes. Mhm. Donc, ce que je dis, est, disons, si on peut faire une corrélation, euh, ça ressemble euh, à mm. peu près à ça. Voilà. Et au niveau de la maison de l'entreprise, quelles sont les actions que vous menez, euh, je ne sais pas, pour appuyer les jeunes femmes à mettre en place leur projet afin de créer une entreprise, leur projet de création d'entreprise Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous, nous intervenons indifféremment pour les femmes Ou pour les hommes oui. Alors, euh, déjà, euh, en plus de la compétition, que je viens, je d'en parler tout à l'heure, euh, il y a d'autres guichets qui sont ouverts à tous ceux qui veulent entreprendre. Et ces guichets offrent la possibilité d'avoir l'assistance technique et de l'assistance financière mais beaucoup plus l'assistance technique. Euh, parce que l'assistance financière, euh, nous la faisons pour l'instant sur euh, DIFA et Zander, bientôt sur Maradi et Niamey, parce que notre partenaire, qui nous a permis de faire cette assistance financière, travaille traditionnellement dans la zone de Zander et d'IFA. Mais compte tenu des, des problèmes qu'il y a sur d'IFA, nous avons demandé et obtenu qu'on puisse au moins aller dans une autre région. C'est lors de la dernière euh, mission qui a été effectuée par ces partenaires-là, nous avons eu l'accord pour être sur Maradi et, et euh, sur Niamey. D'ailleurs, euh, depuis pratiquement un mois, nous avons des renforcements des capacités pour les entreprises euh, sous-traitantes des mm-hmm. industries extractives euh, de la région d'Agadez. Mm-hmm. Donc c'est pour vous dire que voilà, c'est pour dire que euh, nous pouvons intervenir aujourd'hui dans toutes les régions du pays. Alors ce qu'il faut noter, c'est que nous nous intervenons à la demande. C'est-à-dire que nous, faisons toute la communication nécessaire et en retour, nous pensons que les hommes et les femmes doivent pouvoir venir chez nous pour dire voilà, moi j'ai un projet. Bénéficier vous pouvez euh, m'aider. Voilà. Mais euh, la seconde chose que je voudrais dire, c'est que nous fonctionnons, que ce soit sur l'assistance technique ou l'assistance financière, sur un mécanisme de coût partagé. Ça veut dire tout simplement que euh, celui ou celle qui va venir, quand nous allons approuver son projet, va euh, contribuer hein, à, la mise, euh, à la réalisation de, ce projet-là. Comment il va Ça dépend. Mhm. Nous intervenons aussi pour les informels. là, pour juste amener petit à petit les gens un jour à se formaliser mm-hmm, mm-hmm. parce que euh, ça fait partie aussi un peu de la communication que nous profitons pour faire, pour leur dire voilà, nous vous apportons quelque chose, mais en contrepartie, il faut penser aussi à ah, ah. vous faire enregistrer. Mm-hmm. Vous savez, euh, nous travaillons, que ce soit nous ou la Chambre de commerce, nous travaillons tous euh, pour euh, les entreprises nigériennes mm-hmm. et que ces entreprises, quand elles ont aussi des subventions qui sont, quoi qu'on dise, des subventions de l'État, elles ont aussi quelque part l'obligation de payer les taxes. voilà. <laughs> Je reviens vers vous, euh, le temps de donner la parole à Madame Amina. À Fortitude, comment vous travaillez Combien de personnes vous employez je dirais, moi je garde toujours l'esprit, euh, je sais pas, de famille, parce que je me dis, quand vous êtes à l'aise avec vos employés, les résultats ne seront que positifs. Donc, euh, j'aime pas trop cette caricature mhm. de, boss suprême, voilà, qui j'essaie vraiment à chaque fois d'installer un climat de confiance, parce que ces employés-là, s'ils sont en confiance, le travail sera bien fait. Mhm. Mais s'ils se sentent frustrés, <laughs> vous savez comment ça va se passer. C'est pas, c'est pas, en fait, et moi je le fais, c'est pas par peur, c'est par conviction, parce que je me dis, un employé satisfait égale un résultat parfait. Donc euh, voilà. Le recyclage dont vous parlez et la restauration bio, concrètement, euh, de quoi il s'agit Présentez-nous quelques produits. Ben, pour la restauration, je disais déjà, je, je, moi, à chaque fois, par exemple, quand les clients commandent, quand c'est les pauses café, les pauses déjeuner, je mets toujours plus l'accent sur les naturelle. naturels. Donc je, fais plus les naturelle naturels que de prendre les, boissons gazeuses, etc. Mm. Et je leur propose toujours comme je dis, les plats locaux. Mm. Donc maintenant, pour le recyclage, c'est déjà le recyclage des déchets solides non biodégradables. On voudrait vraiment faire le recyclage à grande échelle, mais pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est surtout à la main. Mm. Donc on est un peu limité. Ce qu'on recycle pour l'instant, c'est surtout les pneus et les bidons. Donc les pneus, on les transforme en pouf, on les transforme en poubelle, en banc, en balançoire, en pot de fleurs, etc. Et maintenant, les, les bidons aussi, les bidons d'huile de 5 litres et de 25 litres, ça, on les transforme transforme aussi en poubelle, surtout pour bureau et pour voiture. Mm. Donc, on a vraiment une panoplie de choses qu'on veut faire, mais comme je dis, comme on travaille qu'à la main, c'est vraiment traditionnel, mm. donc on est un peu limité. Et tous ces produits, comment vous arrivez à les, à les écouler euh, On a de plus en plus de, de clients euh, parce que un moment j'avais bénéficié en 2016 avec la SNV dans le cadre de leur projet Yowa en partenariat avec l'USAID j'ai bénéficié d'une subvention qui m'a permis d'être vraiment un peu plus connue parce qu'on avait tellement de couverture médiatique et ce qui fait que de plus en plus on a de clients il y a les particuliers il y a, même les personnes comme ça il y a la famille il y a les amis qui qui commandent un à un deux à deux et puis voilà c'est comme ça on le fait mm. c'est vrai on est à nos débuts c'est mais moi, je me dis, l'impossible n'est pas moi, mhm. Comme on dit, <laughs> l'impossible n'est pas nigérien. Et d'ici bientôt, on aura encore des projets plus fous parce qu'on croit qu'on peut faire quelque chose. Et les déchets, comme je le dis, ça vaut de l'or dans ce pays. on mm. va vous le prouver. Déjà pour le recyclage, parce qu'à un moment, j'avais un centre de formation de jeunes dans le cadre de ces métiers de recyclage. Donc après la formation, c'est ces quelques-uns là que j'ai recrutés et c'est avec eux que je travaille. Ces employés, ils ont un salaire Dès qu'on a des activités, mm. oui. Mais parce que là, si, si j'ai pas tout le temps d'activité, je peux pas leur, leur, garantir un salaire. Mm. Mais en fait, ils sont payés au nombre d'activités. Pour revenir un peu sur la question de l'écoulement de vos produits, est-ce que vous avez eu déjà à participer à des grands euh, salons d'exposition euh, Par deux fois déjà avec la SNV. Donc après avec l'ambassade de France, là avec l'ambassade des États-Unis. Mhm. Donc euh, voilà. Et de la création de votre entreprise à, à aujourd'hui, quel est votre chiffre d'affaires <laughs> <laughs> <laughs> Approximativement. Approximativement, waouh. Si je le dis, j'aurais menti parce que je crois que je ne suis pas très bien ordonnée dans ce mm-hmm. sens quand même. Ah, <laughs> <laughs> Exactement, euh, clair et net. Alors, je vous recommande de, passer à la chambre de commerce au centre de gestion agricole. Mm. Il y a un centre qui vous pourra vous tenir tout votre toit, tout Franchement, je ne suis pas trop organisée. Mm-hmm. Mais quand même, ça nous a, ça nous a permis vraiment de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de choses à oui, Justement, quel est le plus que ça vous a apporté dans, dans votre vie, cette activité, ces activités je crois que je dirais un peu plus de responsabilité parce que moi je ne vois pas ça sur le côté financier mais c'est beaucoup plus de responsabilité parce que être femme être mère, vous voyez, avoir la pression, il faut que ça soit bien fait. Il faut qu'il y, y a, des gens comme tout, comme dans beaucoup de sociétés, on t'appelle aujourd'hui, on veut la chose demain. Mm-hmm. Cette pression, je me dis, ça me permet d'avoir de plus en plus de responsabilités mm-hmm. Mm-hmm. dans les postes que je vise pour l'avenir surtout. Et euh, en fait, vous êtes femme au foyer et comment vous arrivez à allier entrepreneuriat et <laughs> vie privée Non, je dirais, c'est une conviction. Je me dis, le temps pour mon travail, il est défini. Le temps pour ma famille, il est défini. Et je ne marche sur aucun. Mhm. Quand j'ai du travail, je le fais parce que, comme je dis, moi, j'ai des ambitions pour l'avenir. Et il faut être fort de caractère. Parce que quand on a des enfants, par exemple, en bas âge et qu'on a des missions ou des travaux à faire, parfois c'est difficile. Mais je me fais violence pour, sur moi-même. Parce que je me dis, ce n'est pas que pour moi. Et ce n'est pas que pour mes enfants que je travaille. Mais c'est pour la génération future. Mhm. C'est parce que il faut qu'on leur laisse quelque chose de meilleur. Il faut qu'ils sachent que c'est nous qui, qui sommes les parents, on s'est vraiment sacrifié pour eux, pour leur laisser un avenir meilleur et pour qu'ils fassent aussi mieux que nous. Vous, monsieur le directeur, vous avez entendu euh, la dame. Euh, quel commentaire Je pense que euh, c'est vrai, il est assez particulier. Mais de plus en plus, beaucoup de femmes croient en ce qu'elles font et ça leur permet de s'organiser pour se détacher un peu de la famille, pour euh, aller vers leur entreprise. Mais moi, ce que je voudrais dire, madame, nous avons la possibilité de vous aider, d'ailleurs sur les deux volets, d'assistance technique pour améliorer votre produit et euh, l'assistance financière pour vous amener aussi avoir après des relations avec ceux qui financent naturellement les entreprises. Je ne peux que vous inviter à passer à la maison de l'entreprise donc pour avoir d'amples informations sur comment vous pouvez être appuyé. Moi, je voudrais saluer le travail qu'il fait Madame, parce que ce n'est pas un travail facile. Et quand surtout ces femmes-là, oh. comme madame, ont la possibilité de recruter des personnes. Mm-hmm. Parce que le plus important dans, une entreprise, c'est d'abord s'employer. Après, quand on arrive à s'employer, c'est d'employer d'autres. Parfois, madame ne dort pas. <laughs> Et c'est ça, un entrepreneur pour la mise en place de leur entreprise. Certaines n'ont pas confiance en elles ou euh, font face à des préjugés sociaux. Ce sont là des obstacles euh, liés à l'entrepreneuriat ici au Niger. Je vous disais tout à l'heure, il faut d'abord euh, une entreprise par d'un besoin. Si on n'a pas besoin de cette bouteille d'eau minérale, ce c'est pas la peine de, de produire de l'eau minérale. Si vous avez remarqué, il y a 20 ans, il y avait très peu de, de, en circulation. Mais petit à petit, il y a euh, aujourd'hui des personnes qui ont un revenu un peu plus consistant et qui veulent naturellement avoir autre chose que ce ont toujours, ce dont ils ont toujours euh, disposé. Donc ça répond aujourd'hui à un besoin. Hum. Il y a des années, ça ne répondait pas à un besoin. Donc c'est un chemin euh, à faire et un chemin où euh, si vous vous découragez à un niveau, donc vous perdez évidemment espoir, puis bon, vous revenez à la case de départ. Mhm. Madame Amina, quelles sont les euh, difficultés ou bien les obstacles auxquels vous faites face difficultés. Vous savez, moi, j'essaie, je, je, me dis, je suis forte d'esprit, quoi. Donc, les obstacles, on les gère. Et puis, peut-être parfois je me sens un peu limitée dans les objectifs que je veux atteindre parce qu'aujourd'hui moi mon rêve c'est d'avoir un centre non seulement de formation de ce genre dans le cadre de ces métiers de recyclage, une grande usine de recyclerie. Mm. Le plus grand obstacle peut-être c'est les moyens. Voilà. Les moyens aussi parce que peut-être je ne suis pas aguerrie, <laughs> je le dis sous la mm. sous le regard du directeur de la chambre mm. de commerce. Peut-être c'est toujours dans les dans les business plans. Vous savez parfois moi personnellement, je trouve certains certaines parties compliquées à rédiger parce que ce que vous pensez dans votre tête, ce n'est pas toujours évident de pouvoir le, le, coucher sur papier. Oui, peut-être comme je dis sous son regard. Madame oui. Euh, <laughs> parce que je vous assure, il y a certains formulaires parfois qui sont tellement compliqués mm. qu'on abandonne. Quoi. Je dis pas moi, mais je parle en général. Mm. Donc pour résumer, moi, mon plus grand souci, c'est vraiment les moyens parce que j'ai vraiment peur d'aller vers les banques mm-hmm. parce que je n'ai pas trop de garantie et je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais donc, comment vous comptez euh, promouvoir votre activité euh, Là, déjà, je vais en formation pour trois mois. Euh, au retour, je, je, pense que j'aurai d'avance vraiment davantage, j'allais dire, tout ce qu'il faut, les skills qu'il faut. C'est une formation dans le domaine euh, Oui, dans le domaine de ce que je fais. Donc je me dis trois mois d'intense formation, ça va vraiment m'ouvrir sûrement d'autres horizons, d'autres portes et j'apprendrai à ne plus avoir peur, de la banque <laughs> et, de tout ce qu'il faut pour mettre à bien mes activités. Mhm. Alors, je veux juste euh, rebondir pour dire à madame, vous savez, euh, prenez le temps qu'il faut pour grandir parce que euh, une activité se construit au, fil du temps. C'est Il y a des étapes à ne pas sauter. David. Euh, si vous sautez ces étapes-là, elles vont vous rattraper. C'est clair. Même si on est ambitieux, il faudrait respecter tous les passages avant d'arriver là où on veut arriver. Et donc, euh, monsieur le directeur, comment promouvoir euh, la culture entrepreneurial auprès des jeunes, que ce soit les jeunes filles, les femmes diplômées et même sans diplôme Vous savez, à mon avis, ça doit commencer euh, là où on enseigne d'abord, à l'école. Et que il faut qu'on trouve euh, les moyens d'intégrer ne serait-ce que une heure à deux heures de formation sur l'entrepreneuriat euh, suivant les cycles pour que, euh, au sortir, euh, que ce soit des centres de formation professionnelle ou de l'université, que les hommes ou les étudiants ou étudiantes soient préparés à faire face à entrer dans la vie active. Et cette vie active, euh, aujourd'hui, je peux dire que la fonction publique ne recrute pas comme il y a quelques dizaines d'années. Donc euh, c'est le secteur euh, privé qui absorbe euh, ceux ce qui sort des universités et des écoles. Et donc il faudrait se préparer à partir de ce moment-là mm. à affronter cette réalité-là. Mais je pense que même une fois sorti, ce n'est pas tard. Parce que nous voyons des jeunes qui sont sur le marché du travail, qui rebondissent euh, dans le secteur privé en ayant une bonne idée et en créant leur entreprise. Mais on peut bien même entreprendre sans formation. On peut entreprendre sans formation, mhm, mais c'est mhm. toujours mieux avec formation. Voilà. Madame Amina, euh, pour finir, quel conseil aux autres femmes pour avoir une activité Je vais résumer ça par ces quelques mots. C'est rêver, oser créer ou euh, entreprendre. Parce que j'aime bien le dire à chaque fois, seul le ciel est ma limite à moi. Parce que tout ce que je conçois, je peux le faire. Et si je me donne les moyens, j'y arriverai. Parce que ma motivation, elle n'est pas que personnelle. Je me dis, ce Niger, j'ai envie de le voir changer et j'ai envie d'être acteur de ce changement. Merci à vous, monsieur le directeur général. Quel est votre mot de fin? Alors, moi, je voudrais juste, euh, dans le siège de ce que vient de dire Madame, dire oui, oser. Euh, mais, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, faites attention mm. aux étapes. Sachez là où vous allez. Et pour savoir là où on va, faites votre business plan et ça vous permettra d'avancer. C'est juste un instrument de pour vous, pour vous permettre de savoir euh, ce que va devenir l'entreprise et que bon qu'on peut éventuellement réviser à la lumière hein, de certains paramètres qui peuvent survenir. Mais euh, moi, à mon avis, il euh, il faudrait pas oublier que on ne peut pas aller loin en entreprise sans avoir besoin de financement. Hmm, Ce n'est pas possible. Euh, je pense que en mettant tout cela ensemble, on peut, on a des chances de réussir. Merci à vous. Alors, chère femme, comme vous venez de l'entendre, un seul conseil, il faut oser il faut oser et avoir un objectif précis. C'est la clé de pouvoir mettre en place vos belles idées afin d'avoir une entreprise efficace. Et c'est sous ces conseils que prend fin ce forum. Nous étions avec Madame Amina Issa, directrice générale de Fortitude. Fortitude, une entreprise de la restauration bio et du recyclage. Nous étions avec Monsieur Kaura Bachir, directeur général de la maison de l'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation à la réalisation Jello Boubacar, à la technique Hassan Tawai, à la présentation Nafisa Adam Sirfo. À très bientôt pour une autre thématique sur le studio Kalangou. Au revoir.